Voilà. Merci. Attention, attention. Baru ñun jox ñu.

Sauf les journalistes. Les autres, mettez derrière, tout le monde. Il y a de la place. Il y a de la place derrière. Tout le monde, tout le monde, derrière. Thank you. Não, não.

la comunicación Já deixa ele falar, já deixa ele falar. Ele já conversação. Tá Vamos. Vamos lá com a barba. O menino é café, vai lá depois. Voilà, je peux peut-être me le dire. Mamola Mukuru. donc yakane sonko na jewul bana jewla limu tate bala no ken kabru be jembere donc mo ka sankena tumum le kulo yi zambiero me onu jalon tate bana sanken man sonko yi len kana ko ta me baji baji ko mo ko Jolo senza di cui maschio sulle punti per che sulle per di essere io le vodka di mas mare forse le gatta o su il casa da tutto ma pianto che ho più le uso no e quindi no e quindi vraiment tignan che che sulle casa da camera mit fo bahmi fan la kenn jamaada fekkee baa ngi am Tambacounda mais Ousseyn tamit parce que Casamance su xas la xaw ma loolu loolu fekk mais on a mis su xas la émission ay donc on a ko tuur donc katabaa bi katabaa bi fekk on a fait katabaa bi donc si yéen kalaw ci keneen kalaw ak tamit kalawul sabote que suma di lawoon que sumay ñi campagne que sumay ñu bàccee sumay ñu bàccee sumay vraiment lokalite men def mais isen mercier mag isen merci kono boon fika bata kuma fe jooni merci mun jabboli mo siyel tatuma ko soyi nden man ko amɓe mo siya tatuma fanan keɓaƴ ko sumoy parce que depuis nana commencé mo ñaɓe aɓay taɓaƴe ɓe tatuma mo yomo joono man no man il faut nabina saf aɓɓit allaw allawol par ce que waxda ngese ka ngese ko kalaw kon wala ku bañ hokke ba obalaw c'est pas possible donc yomb ñu ci seen di seen merci ma ka que suuy di seen merci ma kaya bolemu ana xam fa jitt

Et eyine olete ile ngi ju ti jone parce que ngi mo nek en contact toujours les gens. Je bla ho ne manam normalement beaucoup bi vidéos bi do fi la ho ne na ho ne manam la te bu tinu bolet e di di ngi ju bla ho ni mo no nom o je ti kale no mo ne ti kale no mo ya parce que mana te sa o to o to te mo ja bo me yo pe ti bon ke to li ngi as black man tey li ko ni moli ci ko ba bi suule lu fekk mo ko hoñe mo kenn dem benam fa ko kenn ko hoñe mo ko ko ko ko halala la bay dani non non non ba bak des circonstances yo lan jelo bi mo xawna plus 2 dibi mo ngel jo ci am pawde am na li mo tata bañu la ba ta senegal ko le la fa ka fañu mo ko nga état may ko mo tok jaja ko fañalini ale bɛ maana tatɛlɛ ni sumani sɔnkɔ an yɛrɛ yɔrɔ la fɔ kalaaku kɔkɔ mu suyu mu bɔnɔ ka bolo mo dɔw o lɔ bɛ taama yɛlɛ kɔ an yɛrɛ yɔrɔ la se ɛtu makisa lu mɔla kila jɔ mu futa jange de la ni ɛhɛ anu ala na yɔ la kana anu jɔjɔ mu boli suka yɛ lilo wɔni anu ala na yɔ la mɛ fumu tɛ mu fana mu kana kɔfɛ ɛ musie. kana fun ka bahumu o ya ma tama ya ki mo tama yi em de kan Ousmane Sonko pulul mano premier tour le an an ko Oumissoutou Badiara président Oumissoutou Badiara premier ministre Oumissoutou Badiara président de l'Assemblée mais du Sénégal lo bokkaale mo jimu lele jijo mo jina lookila maleken jiju kene jo jijo jina lakila det sidelo bi parce que di baju sidelo bi moom moo bane bani saaf bu kanaka mo dakkal fekk su may fu bañ team man di commencé mo campagnata législatival jibine bootate diisi almamu ana hanani musuusu mante mata aw musuudu kolme ak lamu seet min jibinetake jilobi moola ak lamu añil atta casamance bare añil atta sénégal añil dakane ban kuñile kata sénégal fe kuna bedi akla di malegana manday to mo kumata ka jokal sénégal yekil mo habilitate ɓuylo local dans le panel du département de ousuy fana bil départ ousuy fana bila sage aw a naha naw le roi de ousuy nu yok u fame noon ñaan du fame no sukoy fe ñaan dakan campagne de ko suumay yak moho bac la victoire yetta le 24 février jikati hudi mahu amutate bo te sukoy fe département de ousuy

la ko ɓen kono jon teñu teñu bare wan ɗum lawami wonu badiali kanno ken lakkola ziguinchor keb probléme bo kanakku men men ɓan foka jumen bo kanakku na sankenil manko jam wona joɓeren ɗum kanen fo ken diji jonen ley jijuɓe juka awdi fo tan jijo tutolara e mano juka aw par ce que jaak sénégal pe teñimu di ko ne kilifa diine yi kilifa aada yi kon jàpp di akila akkaana ñil mën a kaane programme yoo la nasa sof mati kilifa aada yi tan ku neni tan kilifa diine yi komi ku bandi ku tebeniri parce que oli u tebenuul toonu tokkulaalo mof maton mu soxla soxla kana ko rena muyool jaat baabe sumu jaat muyool jigéen bee law emite babaj kane puñoye de walla pekku doomu adama mi ka puñila emite kane puñoye mo kane jaat sonko ome na jaalo jaw panu sanken bara babaj wahnu manjew lob awdi hakkila ƴiƴe ɓe kala ko manji sanken donc awdi hakkila jilawre gila ko manka sanken mo kane kammitaki tout bu jotaay bi amee def Sonko wax ba nañu génne bàyyi ko moom ak ruwaay moom laa leen ñaan kilifa la ak ay ñii lanu ma yow la ko olalu tooñu laa lool enges mo fam nandiyo umeenati an ate e sukkay buróom sénégal buróom appuru baabi mën a pourme baabi an atti mo famu tena jigmo famu anga jamu fam dimu gillen wala babe man nokorumi yoji fe famal yi duwoli mati anga jamu famu mu famu tudi mu famu mu gillene wassalam Dalam video hmm? C'est pour la presse aussi. Por la presse. por la presse. por la presse. Français por la presse. Eh, cinquième en français mooy ñun ça ma leen ni seen message bi boobu pour bu ko nekkati Sénégal ku jam man li ma ngeen jaar Sa Majesté nous sommes très contents d'être là on a prévu cette visite depuis a fait à chaque fois, il y a eu des comptes. Nous sommes fiers d'être là parce que vous représentez ce que la Casamance, ce que la Sénégal a de plus majestueux et de plus noble dans la reproduction de nos traditions, de nos coutumes. Je profite de cette occasion pour dire à tout le Sénégal nous avons ici en cas masse la meilleure conservation de cet héritage de nos ancêtres à travers la transmission de ce pouvoir à la fois spirituel mais également temporel de génération en génération, de roi en roi et vous l'incarnez parfaitement voudrais aussi dire que nous accordons beaucoup d'importance à votre royauté. Nous voudrions que les Sénégalais, qu'ils soient du Fouta, du Salou, du Baou, du Kayor, connaissent la grandeur, mais également le rôle extrêmement important de cette royauté-là. Et que ce modèle puisse inspirer tous les Sénégalais. Nous pensons que dans notre programme, nous avons dit que nos autorités religieuses et coutumières, malheureusement au Sénégal, quand vous dites autorités religieuses et coutumières, on ne voit que les autorités religieuses. Nous voulons que les autorités religieuses et coutumières soient respectées et jouent un rôle de premier plan. C'est pourquoi dans mon programme, dans mon livre d'abord et dans mon programme, j'ai dit qu'il faudrait qu'on crée une institution à l'image de l'Assemblée nationale, où nos autorités seraient représentées et auront leur avis à donner sur la marche du Sénégal. Ça, c'est extrêmement important. Et ici, dans le département du Sud, l'autorité qui symbolise mieux cette représentation culturelle, c'est vous. Ça veut dire que c'est sur vous que nous comptons pour désigner un représentant qui va siéger dans cette assemblée et qui pourra permettre de faire porter votre voix sur la marche du Sénégal. Au-delà, nous pensons également que l'État du Sénégal doit instaurer un budget pour financer tout ce qui est religion, culte et culture. Considère que la Casamance est le parent pauvre de tout ce qui va dans le financement des sociétés culturelles, culturelles religieuse. Beaucoup d'argent circule souvent, mais il n'y en a pas qui vient, il n'y a pas beaucoup qui vient vers la Casamance. Nous voulons rétablir cette injustice, non pas parce que nous sommes pas mais parce que le Sénégal doit être un Sénégal pour tous, un Sénégal où toutes les autorités doivent être traitées de la manière la plus digne et la plus respectable. Et à partir de ce moment, nous considérons que les autorités religieuses et coutumières de la Casamance doivent s'organiser pour que leur voix porte beaucoup plus et pour qu'on ait au, niveau, au plus haut sommet de l'État un interlocuteur, un vrai interlocuteur, qu'on ne vienne pas voir uniquement pour l'aspect folklore. Toutes les autorités politiques, quand elles viennent ici, elles disent qu'il faut que je passe voir le roi dessus. Mais une fois qu'elles sont parties, c'est fini, on a oublié. Et nous pensons que ça doit être un dialogue et un contact permanent. Et que de la même manière que dans beaucoup de zones du pays, des autorités peuvent prendre leur téléphone, appeler et joindre directement le président de la République pour dire nous voulons ceci, nous pensons cela. Le roi de suit, les autorités religieuses de la que ce soit l'église, que ce soit les imams, doivent pouvoir avoir ce même accès parce que ils ont ou elles ont le même niveau de responsabilité et les mêmes, euh, la même envergure que toutes les autres religieuses et coutumières de ce pays. ça, c'est un élément important dans notre programme. Je tenais à le dire ici parce que ça va être un élément de notre temps d'antenne à la si le roi le permet, parce que je ne connais pas les exigences ici. Je tenais à dire que nous accordons beaucoup d'importance à ce que vous représentez pas seulement pour suis pas pour la Casamance, mais pour le Sénégal. Et je ne fais pas de démagogie politique parce que c'est vous qui nous avez éduqués ici à Casamance et vous ne nous avez pas éduqués dans la démagogie. Tout ce que je dis, je le pense, et j'ai l'intention de le faire. Nous considérons que il ne suffit pas de dire que nous avons de la considération, il ne suffit pas de, faire, de passer et se faire filmer avec le roi, mais c'est le plus important, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur pour vous permettre de mieux jouer ce rôle que vous jouez. Et ça, ça passe par une meilleure intégration, une meilleure implication de l'État dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà la petite déclaration que je vais faire. Pour le reste, quand on va se retrouver seul à seul avec Sa Majesté, on pourra entrer dans les détails qui nous concernent beaucoup plus et que je ne voudrais pas voir filmer ou enregistrer par la presse. <laughs> Gracias.

no lara ferom wabaji mi usman ampaw ampay la fatu bojan wabaji volume source a da ngay togal da ngay

debaixo de até. De boca, de boca. Gel masama. 이렇게 되네 지금. 그래서 40 ans. Il faut tout voir. Tout, tout laisser passer. ugonjwa beaucoup de présidents, beaucoup de candidats qui sont devenus présidents. trois, quatre élections. plateforme que vous passer également. Nous nous entendons à travers le Sénégal, vraiment, personne ne suit. C'est de la cadence scolaire. C'est la Alors, nous, nous, nous, nous,

omukuleko njako yakuma obwaho ولد عدوها بلا قول محاولة لا لا من ربي سني

Frank s u l bom. É b o جمع جمع ثلاثة كوزة ثلاثة